Mes impressions sont très bonnes. D'abord, euh, par rapport euh, aux conditions dans lesquelles les élections se sont déroulées. Contrairement à beaucoup de pays africains, les élections se sont déroulées dans de bonnes conditions, dans un climat de paix et de sérénité. Aux élections présidentielles, notre candidat, le président Mohamed euh, Bazoum, a recueilli près de 40%. C'est la première fois que cela arrive et c'est une raison suffisante de s'en réjouir. Au second tour, beaucoup de candidats vont se rallier à nous. On ne peut qu'être confiant à la limite, même s'il n'y a pas d'alliance, si on nous laisse seuls dans l'arène, on a les moyens de réaliser une victoire éclatante. À plus forte raison, quand on sait que beaucoup de nos alliés dans la gestion du pouvoir se sont présentés aux élections présidentielles et à coup sûr, ils vont continuer à se rallier à nous.